L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Jean-Paul Sartre. Ah ouais. L'artiste s'est déjà exprimé hier sur l'émission Tous à la Fada. Nasur Boulou, acte 2. Hey. Nasur Boulou. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de tes convictions sur une nation égale. Décortiquons l'œuvre, résumons l'œuvre, donnons envie aux jeunes qui kiffent cette émission d'aller, de chercher, de fumer, de, mettre le nez partout pour avoir ce TC euh, merci une fois encore. On est ensemble. Euh, L'essai en tant que tel était un ouvrage de titres avec euh, une introduction bien évidemment. Mhm. Et l'essai c'est quoi Parce que d'abord le titre, les gens ont beaucoup fait polémique autour du titre, pensant que nous l'avons choisi parce que nous n'aimons pas le Niger, mhm. loin s'en faut. C'est bien au contraire parce que nous aimons notre pays mhm. que nous avons tenu à alerter. À alerter par rapport à la direction que le pays est en train de prendre. Une nation égarée, ce n'est pas comme si la nation s'est égarée d'elle-même, non. C'est des acteurs qui l'ont égarée les acteurs qui eh, n'ont pas pu incarner les choix du Niger, par exemple d'être une nation, d'être une république, d'être une démocratie, d'être un État indépendant. Donc c'est tout ça qu'on retrouve à travers, eh bien évidemment, Niger, mes convictions sur une nation égarée. Nassir nous allons parler cette fois-ci des projets de l'artiste sur cette émission. On vous a vu récemment à la place euh, Amadou Boubacar, euh, le temple sacré et euh, de l'Université Abdoubou de Niamey pour le vernissage de l'œuvre. Alors, pourquoi le choix de la place AB Donc, on ne peut pas porter une telle alerte mhm. et ne pas choisir la cible qui sied. Mhm. Et la cible qui sied en cette matière, c'est bien nos universités publiques mhm. et en particulier, notre plus grande et première université, qui est celle de Niamey, que j'ai eu l'honneur de fréquenter. Donc, le premier choix, c'était d'abord ça. Pouvoir parler à ceux qui sont capables d'entendre et de comprendre. Le deuxième choix, c'est pour faire un honneur. Un honneur à l'université qui m'a accueilli après mon bac. Et la place. L'université qui t'a tout donné. Qui m'a tout donné. En formation juridique. Mais aussi en frustration. En frustration. <laughs> Il faut les reconnaître et le, le rappeler Donc à Donc en frustration et formation, parce que la frustration aussi c'est une école. C'est une école. Point virgule On va parler de tes projets. Tes projets pour le Niger, tes projets pour l'écriture, tes projets pour la jeunesse nigérienne qui aussi, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, doit se ressaisir. Bon, les projets de l'artiste sont euh, d'abord des projets pour les Niger à travers un engagement multidimensionnel. Donc, le projet d'écriture, c'est un projet qui vient en soutien à nos convictions politiques, à nos ambitions politiques pour le Niger. Mm. Parce qu'une nation qui veut se projeter dans l'avenir, ne peut se projeter en dehors de sa jeunesse. Et pour que cela soit, il faut que cette jeunesse prenne conscience d'abord de son rôle, de son potentiel, mais aussi des risques de son inactivisme et de son désengagement. Nassir, tu ne vas pas euh, quand même euh, donner l'intégralité, euh, n'est-ce pas, de l'essai sur cette émission. Nassir, comment faire pour la voir C'est aussi une question qui doit être posée sur cette émission. Bon, pour le moment, parce qu'on n'a pas encore fait une multitude de dépôts mhm. pour la vente, mais pour le moment, eh, l'ouvrage est disponible chez Maître Awadé. Awadé c'est un huissier de justice, c'est un camarade du mouvement, juste mhm. pour la République. Et son cabinet est juste derrière le stade municipal de L'Oréal. Nassir Bodo, nul n'a le monopole du savoir, allez-y donc à la quête de la sagesse en lisant des séries. Niger, mes convictions sur une nation égarée. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie, consacrée à la jeunesse nigérienne. Un message à l'endroit des lecteurs, un message de soutien parce qu'ils doivent vous soutenir, ils doivent croire en ce que vous faites. Une page Facebook, un compte YouTube, tout ce qui peut te donner aujourd'hui la visibilité sur cette émission, c'est ça aussi la finalité. L'objectif en question de cette rubrique, c'est de vendre les jeunes. Ah, merci beaucoup déjà pour cette opportunité. Et moi, je m'appelle Nassir Bodo, j'ai un compte Facebook du nom de Nassir Bourou justement. Et j'ai aussi une page Nassir Bodo officielle. Donc, c'est les deux pages à travers lesquelles eh, on peut me suivre, on peut suivre mes activités personnelles et mes points de vie dans le débat politique national. Et donc, euh, j'aimerais un peu nuancer. Quand vous dites que nous sommes prêts, pour le Niger, nous sommes prêts à tout. je me dis que non, mais nous devons nous apprêter à pouvoir faire tout pour le Niger. Donc euh, voilà mon, message et à l'endroit de l'ensemble de la communauté nigérienne et particulièrement à l'endroit des jeunes, notamment et particulièrement les artistes parce que vous savez, les artistes comme on dit sont euh, les porte-voix sont les ambassadeurs du, du, pays. Les artistes doivent être capables d'utiliser leur art, que ce soit l'écriture, que ce soit la chanson, que ce soit la danse, que ce soit tout ce que vous voulez, pour pouvoir porter l'idéal du Niger que nous voulons tous demain, pour nous, pour nos enfants, pour nos arrières, arrières, arrières petits-enfants, parce que vous savez, toutes les grandes nations, ont diffère ou aussi recours à l'art pour vendre leur culture. Et dans ces visions, nous prenons ce qui nous arrange pour construire avec notre socle culturel aussi ce que nous voulons faire du Niger de demain. La culture est au début et à la fin de tout développement. Finish.